Nigérien, Nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de l'art, le studio Kalangu présente. L'artiste s'exprime. hey. Le livre doit être le meilleur de mes compagnons. J'en ai besoin pour toute ma vie, c'est-à-dire du berceau à la tombe, pour me distraire, me former et apprendre auprès de tous les hommes et de toutes les cultures de la terre. Science sans conscience n'est qu'une de l'âme. Sur cette émission, nous recevons des artistes. Ce numéro est un peu spécial. Il n'est pas chanteur. Il ne danse pas. Il n'est pas DJ. Il n'est pas humoriste. Il écrit. L'écriture a sa place sur l'émission Tous à la fin. Nous recevons donc pour la cause bientôt les examens de fin d'année. Une pensée particulière à tous nos amis scolaires. L'on dit la machine. Souhaite la bienvenue à l'écrivain. Eh mon ami, comment tu vas tu vas très bien Oui, oui, Alhamdulillah. Tu es en forme Il y a plein de formes. Tu vas commencer d'abord par te présenter. C'est important pour permettre à toute la jeunesse nigérienne de savoir à qui avons-nous l'honneur sur l'émission. Tous à la fada. Hey. Daouda, Lukman, parlons de toi sur l'émission. D'accord. Salut chers euh, spectateurs, je suis Sen Lukman, étudiant à l'université SUS-IMEF à Niger, faculté de relations internationales et diplomatie. Je suis l'auteur de ces documents dont réellement on est sur l'émission avec Donji Lamaché. Aujourd'hui, nous allons parler de toi. Nous allons parler de ton parcours. Nous allons parler de tout ce qui va avec l'écriture au Niger. Et demain, plaisir nous allons parler donc euh, de cette œuvre. Mais pour l'instant, parlons de ta date de naissance. Pour euh, ainsi dire à cette jeunesse que c'est possible, à ton âge, d'avoir un document. Tu fais déjà ton mieux. Parlons de ça. C'est important. D'accord. Je suis né à Niamey le 31 janvier 1998. Quand est-ce que tu as commencé l'écriture ben, J'ai commencé à écrire en 2018. 2018. Donc ça fait pratiquement trois ans. Qu'est-ce qui t'a incité Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire Ce qui m'a poussé à écrire réellement, mon but, c'est d'être cet homme-là qui réellement va partager son savoir auprès des uns et des autres. Et c'est ça qui m'a motivé, qui m'a poussé réellement à partager mon savoir. Est-ce que tu as des auteurs qui t'ont euh, inspiré des auteurs que tu as l'habitude de lire, qui t'ont poussé à la lecture. Effectivement, comme Kamara euh, Lai, ou bien Sekou uh-huh. ou bien euh, Boubou Hama, ainsi que plusieurs écrivains réellement Par ailleurs, tu animes aussi des formations avec des candidats en vue d'en faire des leaders pour un Niger meilleur. Est-ce que nous pouvons parler de ça sur cette émission Ça fait partie aussi de ton parcours. Comment se passe cette formation Oui, effectivement, j'ai fait des formations avec des candidats mhm. à but non lucratif, juste réellement pour apporter mon soutien, pour leur aider sur la méthodologie, sur les concepts sur les cours philosophiques ainsi que la dissertation et le commentaire en français. D'accord. Et je tiens toujours deux avec mes candidats. D'accord. Avec tes candidats. Bientôt les examens de fin d'année. Nous sommes en principe à la fin de cette rubrique qui t'a été consacrée, cette rubrique qui a soulevé un certain nombre de choses en ce qui concerne bien évidemment ton parcours. Est-ce que tu as un conseil à l'endroit de nos amis candidats qui vont se présenter très très bientôt pour que cette année soit l'année de leur année, comme on dit mon ami Seyni Dauda, Lukman. Le seul conseil que j'ai à leur donner, c'est la citation de Voltaire, mhm. où il disait Le travail nous éloigne de trois grands mots, la nuit, le vice et le besoin. Alors, je les invite à travailler tout le temps, à travailler dur. Et Inch'Allah, ils ne vont jamais s'ennuyer et ils n'auront pas de problème et ils vont obtenir leur bac avec mention. Ainsi parle l'écrivain, les humains et la machine prennent donc congé de vous, amis, auditeurs et auditrices. 46 radio partenaires des studios Calabou. On se donne donc rendez-vous demain, même heure, même fréquence. C'est que la donne qui va changer. Nous allons parler, Inch'Allah, si Dieu nous prête longue vie, de mon bac. Sur ce,